le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Forum du Studio Kalangu. Dans le forum de ce jour, mercredi 29 juin 2016, nous parlerons du rapport annuel du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, un rapport qui alerte sur la situation des enfants. Vous suivrez les détails de ce rapport avec Viviane Van Stertegem, représentante de l'UNICEF au Niger. L'importance de l'assainissement des villes en cette période hivernale, il en sera question ce soir. Et puis vous aurez droit à un large dossier sur les questions économiques concernant le Niger. Le Niger est-il en difficulté financière La dévaluation de la NERA, monnaie, monnaie du Nigeria, quel impact pour le Niger Des questions auxquelles vous aurez des réponses dans ce forum. Pour finir, nous allons aborder également les questions d'attribution des marchés publics. Bonsoir à tous. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a publié hier son rapport annuel Selon ce rapport, 109 millions d'enfants de moins de 5 ans vont mourir dans la pauvreté d'ici 2030. Les enfants nigériens ne font pas exception à la règle, déclare Viviane Van Stertegem, représentante de l'UNICEF au Niger. Néanmoins, le note que le Niger a reçu, le Niger a atteint l'objectif des OMD en ce qui concerne la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Viviane Van Stertegem au micro de Adama Dewaki. Le Niger fait partie euh, de ce diagnostic. Si on regarde l'Afrique subsaharienne, on peut dire que euh, la moitié de ces 69 millions euh, dont vous venez de parler, d'enfants qui meurent avant leur, cinquième anniversaire, la moitié de ces enfants sont des enfants qui résident en Afrique subsaharienne. Donc évidemment, il, y a, également des enfants nigériens dans ce nombre. Euh, néanmoins, comme euh, certains autres pays euh, de la région africaine, le Niger, qui avait une mortalité chez les moins de cinq ans très élevée, de plus de 200, comme les autres pays qui avaient ce type de mortalité, c'est l'Éthiopie, le Libéria, le Malawi, le Mozambique, euh, le Niger a fait énormément d'efforts et a réussi euh, à atteindre l'objectif euh, des, des, OMD, des objectifs du millénaire, en ce qui concerne la mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans. Mais maintenant, évidemment, nous souhaitons continuer euh, de, voir ce progrès. Euh, donc ce, progrès-là, il a, il a surtout été réalisé euh, par l'augmentation de l'accès aux soins curatifs de base, c'est-à-dire le traitement du paludisme, le traitement des diarrhées, le traitement de la malnutrition sévère aiguë, les supplémentations en vitamine A et les vaccinations. Euh, maintenant, cet effort-là doit être diversifié, également toucher la mortalité néonatale, euh, c'est-à-dire la mortalité durant le premier mois de vie de l'enfant, qui, elle, au Niger, reste encore assez élevée, parce que euh, très liée au système de santé, très liée à la santé de la mère, et là, pour la mortalité maternelle, pour la santé de la mère, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc c'est essayer de, euh, avec l'ensemble des partenaires, le ministère de la Santé, de distribuer euh, des moustiquaires à toutes ces populations qui vivent dans des abris euh, extrêmement précaires, qui sont extrêmement vulnérables au paludisme. il y a toute une surveillance qui doit s'organiser avec l'aide de tous pour prévenir une importation de cas de choléra. Et euh, <clears throat> pour le moment, il y a une, riposte contre la rougeole euh, qui est en train de s'organiser euh, parce qu'il y a eu quelques cas de rougeole dans, la région. Nous, sommes relativement étonnés tous, en particulier le ministère de la Santé, qu'il y ait à nouveau des cas de rougeole à Difa. parce que si vous vous souvenez, il y a eu une campagne en décembre 2015. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir euh, des cas de rougeole euh, à l'heure actuelle. Néanmoins, c'est une population en déplacement, euh, donc c'est une population aussi qui n'a peut-être pas été entièrement couverte en décembre 2015 à cause des problèmes d'accès. Euh, c'est une population peut-être qui n'a pas entièrement adhéré à la vaccination. Donc il y a maintenant d'abord un gros effort de communication qui est en train d'être fait euh, pour attirer le plus possible les populations euh, vers les sites de vaccination euh, et ensuite avec les partenaires euh, ONG et la direction régionale de la santé, l'effort vaccinal va commencer vraiment là dans les dans les jours qui viennent. Les trois piliers de votre euh, rapport parlent sur la pauvreté, l'analphabétisme et les décès prématurés. Quelle est la situation concernant l'éducation, notamment si on prend le cas de la région de Difa. Si on prend le cas du Niger, d'abord, dans, dans son ensemble, tout doucement, la, scolarisation au primaire s'améliore. Elle s'améliore lentement, euh, mais elle s'améliore euh, d'année en année. On a une progression du pourcentage d'enfants scolarisés. Euh, ce qui, vu quand même la démographie du Niger, est déjà vraiment un gros succès. Euh, maintenant, c'est la. Il, ne s'agit pas juste de, commencer sa scolarisation primaire. Il s'agit également de la terminer et de la terminer en étant équipé avec euh, euh, toutes les compétences normalement que cette éducation primaire doit pouvoir vous donner. Donc là, il y a encore des efforts à faire. il y a 70% d'enfants, donc 7 enfants sur 10 sont scolarisés au jour d'aujourd'hui. Euh, à l'entrée du primaire, c'est-à-dire la première classe de primaire, il y a la parité entre les garçons et les filles. Ensuite, euh, ça se dégrade un petit peu, cette parité, je veux dire. Et euh, quand on va vers les dernières classes du primaire, euh, on voit qu'il y a beaucoup plus de garçons qu'il y a de filles. Euh, surtout euh, que parfois les filles et même les garçons par ailleurs commencent leur scolarité euh, un peu tardivement. Ils ne commencent pas exactement à l'âge de 6 ans parce que parfois la distance à parcourir pour aller à l'école est trop importante pour un enfant de 6 ans. Donc les parents préfèrent attendre et l'enfant commence sa scolarité à 7 ans ou à 8 ans quand il est plus apte à parcourir cette distance à pied. Ce qui veut dire que parfois, pour les filles, elles vont atteindre la puberté avant qu'elles finissent euh, l'école primaire. Euh, ça, ça, va nuire euh, à la continuation de leur éducation parce qu'elles ont plus de risques d'être mariées, surtout euh, si en plus euh, elles ne sont pas vraiment très attirées par l'éducation et qu'ils ne sont pas encouragées euh, par leurs parents, elles vont abandonner l'école et elles ne poursuivront pas leurs études. Euh, maintenant, en ce qui concerne la qualité justement de, l'éducation primaire, euh, c'est vrai qu'au Niger, il y a beaucoup euh, d'enseignants contractuels. Ces enseignants contractuels n'ont pas toujours une formation solide. mais il y a beaucoup d'efforts qui sont entrepris durant ces dernières années et spécialement cette année-ci pour essayer, pendant les, les vacances là que euh, que nous vivons maintenant, euh, pour essayer de, rattraper, de former ces enseignants contractuels qui n'ont jamais eu euh, de formation pédagogique à la base, de les former à mieux. à être de meilleurs enseignants, en fait, à mieux faire passer leurs différentes matières, et pour certains d'entre eux d'ailleurs, à les former aux matières elles-mêmes. Euh, parce que dans les zones rurales, parfois, nous avons des enseignants contractuels euh, qui n'ont parfois même pas le niveau BEPC. Euh, au plus la zone rurale est éloignée, au plus bas le niveau de, l'enseignant contractuel. Mais on, espère, le ministère de l'Éducation espère euh, que en, en, les formant durant leur, leur, leur fonction, d'enseignants, euh, ils parviendront à renforcer ces capacités et en renforçant les capacités des enseignants, euh, renforcer également euh, euh les apprentissages des élèves. Un chiffre estimatif euh, par rapport à ces enfants-là dans la région de Difa concernant l'éducation toujours Alors la région de Difa, euh, c'est un petit peu différent. Euh, parce que quand on considère l'ensemble du Niger, bon, la région de Difa, c'est la plus petite région du pays. Euh, déjà avant 2013, avant la, fin de 2013, qui a un petit peu annoncé le début, bon, d'abord le, début de l'arrivée des réfugiés nigérians, et ensuite février 2015, qui a annoncé carrément, pour le coup, le début euh, de, la crise au Niger et le début de la crise de déplacement, euh, DIFA était déjà un peu en deçà euh, des chiffres de scolarisation de l'ensemble du pays. donc cette progression qui s'est faite d'année en année sur le reste du pays ne s'est pas faite à DIFA. il y a maintenant un grand nombre Viviane Van Stertegem, euh, c'était la représentante de l'UNICEF au Niger. Elle répondait aux questions de Adama Dawaki. l'hygiène et l'assainissement, deux concepts, deux comportements d'une importance non négligeable pour toute ville qui se veut moderne. Au Niger, ces questions préoccupent plus d'un avec le début de la saison des pluies. Nafisa Adamou s'est entretenu avec euh, Maman Moussa, expert en hydraulique au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement sur le cas du Niger. Cette euh, revue sectorielle eau et assainissement, dites-nous en quoi consiste-t-elle Vous savez, c'est en réalité chaque euh, année, euh, c'est une revue du secteur de l'eau et de l'assainissement qui regroupe tous les acteurs de ce secteur, notamment les services concentrés et décentralisés du ministère, mais également tous les autres partenaires tels que les partenaires techniques et financiers du sous-secteur, mais également euh, tous ceux qui sont au niveau euh, des décideurs, au niveau des régions, au niveau des départements et, également au niveau des communes. Donc euh, c'est une revue suite à laquelle on fait le bilan de l'année passée, mais également on projette les projections de l'année en cours. Effectivement, euh, quelle est euh, la situation actuelle euh, de la question de l'assainissement au Niger Par rapport à cette question bien précise de l'assainissement, je pense que le volet de l'assainissement quand même progresse quand on compare les réalisations euh, rien que euh, par rapport à la fin de la défication à l'air libre, quand vous comparez les résultats de l'année passée et ceux de l'année 2015, vous verrez que euh, c'est vraiment il y a un grand progrès, un net progrès. Pour l'année 2014, si vous vous rappelez, on était tout simplement à 9% de progression par rapport au, à la fin à la défécation à l'air libre. Or, pour 2015, nous sommes déjà à 28%. Vous voyez donc euh, euh, le progrès, il est, net, il est là, il est, il est visible. Qu'est-ce qui explique ce progrès euh, Ce progrès est dû certainement à l'importance des investissements dans le secteur, mais également à la mise en œuvre de ce qu'on appelle la SOFAB, donc la stratégie d'hygiène et de l'assainissement de base au niveau du ministère qui a été approuvé en 2014 et qui a été mise en œuvre euh, en 2015. Allemand à l'acceptation des partenaires aussi euh, par rapport à la mise en œuvre de cette euh, stratégie. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour assainir une ville Vous savez, le grand problème des villes du Niger réside d'abord dans le plan de lotissement même de ces villes. Normalement, toute parcelle ou tout lotissement doit être viabilisé. Et la viabilisation, ce n'est pas tout simplement de faire sortir les ruelles. Non, non, non. C'est également de prévoir des réseaux d'assainissement. De l'autre côté, il y a le changement de comportement de la population qui ne suit pas. Quand vous regardez au niveau des grandes villes telles que Niamey, ce changement de comportement qui refuse de se réaliser, et je pense que c'est la plus grosse des tâches euh, à laquelle euh, les euh, dirigeants, des responsables, en tout cas communaux, doivent s'atteler. Il faut faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'animation pour faire le lien entre entre l'environnement insalubre de ces populations-là et leur état de santé, mais également leur état de santé économique. Qu'est-ce qui a été euh, déjà fait pour améliorer les prestations en assainissement euh, dans des villes La direction générale de l'assainissement a élaboré un plan d'action pour la déclinaison pratiquement en activité de l'ensemble de la Sofab. Donc elle a été déjà convertie en action, mais également en résultat attendu. L'État et les partenaires techniques et financiers financent un certain nombre d'investissements tels que la réalisation des latrines familiales, mais également des latrines institutionnelles, c'est-à-dire au niveau des écoles, mais également au niveau euh, des centres de santé. Pour cela, il y a toujours des dispositions qui sont prises c'est-à-dire il y a des structures de gestion au niveau de ces établissements scolaires, mais également au niveau de ces centres de santé euh, qui assainissent euh, les endroits, mais qui suivent aussi le comportement des usagers. Vous voyez pratiquement, c'est tous les acteurs de développement qui font partie intégrante de cette revue, que ce soit les PTF, que ce soit les OSC du domaine, n'est-ce pas Je parle des organisations de la société civile du domaine, que ce soit les responsables au niveau euh, des régions, donc les gouvernements sont invités, les préfectures sont invitées, les mairies sont invitées, les conseils régionaux sont invités. Et chaque année, c'est comme ça. Donc c'est vraiment des occasions, de, c'est des rencontres de donner et de recevoir, euh, d'échanges et un partage de l'ensemble de ces productions du ministère-là euh, avec l'ensemble des partenaires. Maman Moussa, expert des questions d'hydraulique et d'assainissement au ministère de l'hydraulique et d'assainissement, il est interrogé par euh, Nafisa Adam Sirfo. Le Niger serait-il tombé dans une crise financière Une question qui fait couler d'encre et de salive ces jours-ci. À ce sujet, notre collègue Mokhtar Amadou s'est entretenu avec Sanusi Tambarijakou, économiste et homme politique. Pour lui, il n'en est rien, tout va bien. Nous l'écoutons. Sanusi Tambarijakou, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, économiste de formation. Comment se porte le Niger sur le plan économique et financier En tout cas, en ce milieu du mois de juin de l'année 2016, le Niger ne se comporte pas plus mal qu'au cours du mois de juin 2015 et même au cours du mois de juin 2014 et vous descendez au cours du mois 2013, 2012, etc. Je ne vois rien de particulier par rapport à la situation de notre pays. Il n'y a rien de très grave et il n'y a rien de très bon. La situation est semblable à ce qu'elle était au cours des années et des mois précédents. Évidemment, il y a eu des grands travaux qui ont été réalisés. Il y a eu des investissements aussi qui ont été faits. Lorsqu'on fouille dans les statistiques, on trouvera certainement qu'il y a eu une croissance économique dans ce pays, la croissance dont je ne peux pas vous donner actuellement euh, le chiffre quelles sont vos préoccupations Dans la ville de Niamey, euh, les gens en parlent, il y a une sécheresse financière, les enseignants contractuels n'ont pas de salaire, les agents des collectivités territoriales, il y a des grèves parlées un peu partout, le front social s'embrase. Bon, euh, c'est peut-être une situation conjoncturelle euh, qui relève de la libération des crédits au niveau des institutions financières publiques notamment au niveau de l'exécution du budget au Trésor, au ministère des Finances et dans les diverses localités de notre pays. Je crois que c'est tout simplement cela, c'est pas autre chose. Nous venons de sortir d'une période d'élection. Il y a eu beaucoup d'activités politiques et administratives. Et c'est peut-être ça qui a, qui a dû un peu retarder les opérations financières et, et qui ne vous permettent pas d'observer la circulation monétaire comme vous le voulez. Je pense que ça doit être des choses comme ça. Mais je ne pense pas qu'ils doivent manquer de l'argent au Niger, notamment au niveau de la trésorerie nationale. Je ne le pense pas. Vous voyez, par exemple, nous ici à la présidence de la République, notamment nous autres, les conseillers, avec rang des ministres ou sans rang des ministres, avant d'aller aux élections, nous avons démissionné de nos fonctions. C'était au mois de février. Puis, euh, quand nous sommes revenus, on a repris, on a été nommé de nouveau et on attend nos salaires. Mais ça fait quatre mois qu'on n'a pas commencé à toucher les salaires. On ne s'inquiète pas pour autant. Et vous savez vous-même qu'ici au Niger, chaque fois qu'on intègre un fonctionnaire, il va rester 3 mois, 4 mois, 5 mois avant de commencer à toucher son premier salaire. Donc euh, moi, je mets ça euh, sur ce compte-là et non pas dans le cadre d'une quelconque pénurie terrible d'argent dont les gens pouvaient en parler. En tout cas, jusqu'à présent, au Niger, il n'y a pas d'arrivée de salaire. À ce que je pense et à ce que je sais. S'il y a des retards dans les paiements des arriérés de certains fonctionnaires, de certains agents de l'État, tels que les contractuels ou les civicards, bon, euh, cela peut-être dépend du fonctionnement de ces services-là et peut-être de la nécessité de faire les décomptes pour voir clair dans la situation de, ces agents de l'État. C'est ça que je vois. Je ne pense pas que ça soit par manque d'argent au trésor, par manque d'argent à la Banque centrale, euh, que c'est à cause d'une terrible sécheresse euh, financière. Vraiment, je ne le crois pas. Je pense que c'est une fausse alerte. Mais en tout cas, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme ça que je vois ça. Jusqu'à présent, en tout cas les fonctionnaires sont payés, non D'aucuns pensent que c'est par rapport à la situation sécuritaire et humanitaire que cette rareté de ressources financières euh, se constate un peu partout. Ah, donc vous, vous avez vos réponses. Vous pensez que l'argent est utilisé pour le, financement des opérations de sécurité bah, C'est possible qu'il y ait de l'argent qui soit injecté dans le financement des opérations de sécurité. C'est possible. Et c'est même certain qu'il y en a. Mais est-ce que c'est ça qui va provoquer une hécatombe au point où on va spéculer pour dire qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Bon, la sécurité, ok. Et puis les refoulés, eux aussi, on les finance, on les entretient. Mais est-ce que c'est tout cela qui va absorber tout le budget de l'État du Niger Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Il faut chercher ailleurs. Il faut chercher des explications ailleurs. Tout dernièrement, nous avons entendu euh, une intervention du directeur général de la douane. Et nous avons compris qu'il y a encore des fonds qui rentrent dans les caisses de l'État à partir de la douane. Mais les fonds rentrent. Bon alors, c'est quand même l'argent de l'État, non Et cet argent-là est utilisé au profit de l'État, non Bon alors, où se trouve la Peut-être que euh, saisonnièrement, il y a des difficultés comme ça en ce qui concerne le règlement des factures de certains fournisseurs euh, nationaux ou internationaux. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Mais est-ce que c'est seulement cette année qu'il y a ce genre de, de phénomène Je ne pense pas. La situation n'est pas aussi inquiétante que ça Écoutez, moi, vous venez de me poser le problème, puisque vous le posez et que vous estimez qu'il se pose au niveau de beaucoup d'entre vous et d'entre nous les Nigériens et que ça commence à préoccuper la majorité de nos compatriotes ou même une grande partie de nos compatriotes, Bon, je vais m'y intéresser et revenez me voir dans une semaine, on va en parler. Tout récemment, euh, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des finances avait affirmé qu'au cours de l'année 2016, il n'y aura pas d'investissement. Euh, ça veut dire quoi concrètement Moi, je ne veux même pas entendre parler de l'Assemblée nationale. Et ne m'en parlez pas. Je ne veux rien savoir de l'Assemblée puisque je n'y suis pas. C'est des propos du ministre de l'économie et des finances. Moi, tout ce qui a été dit à l'Assemblée, je m'en fiche pas mal de ça. Et je ne veux pas, je ne veux rien savoir. Au revoir. Au cours de 2016, il n'y a pas eu d'investissement, est-ce que la situation ne sera pas un peu mal vue mais quel investissement Qui a dit qu'il n'y a pas d'investissement au Niger Mais les investissements, ils sont en train d'être faits. Regardez tous les chantiers qui sont ouverts actuellement. Regardez, vous ne voyez pas Allez-y vers les bâtiments de services de la douane. Vous ne voyez pas un grand bâtiment qui est en train de sortir de terre Avancez encore un peu plus loin. Vous ne voyez pas des bâtiments Allez-y dans les quartiers Yantala. Vous ne voyez pas des bâtiments Allez-y dans les quartiers Nouveau Marché, La Couroussou, etc. Partout, les chantiers sont en train de pousser et vous dites qu'il n'y a, pas d'investissement. Mais qui a dit qu'il n'y a pas d'investissement Le fait de aimer des grains dans les champs, ce n'est pas des investissements. Le fait de labourer, ce n'est pas des investissements. Le fait de conduire les vaches au pâturage, ce n'est pas des investissements. Tout ça, vous ne voyez pas ça. Le fait pour les artisans de travailler et de produire, ce n'est pas des investissements. Mais de quels investissements vous parlez Vous parlez de gros investissements, euh, euh, de des, multimilliardaires euh, ou de puissances étrangères richissimes et qui vont venir ici avec euh, des milliards dans des sacoches pour essayer de proposer parfois du financement des opérations. C'est de ça que vous parlez. Mais un peu partout, quand vous regardez, vous voyez des étrangers portant euh, coche en bandoulière passer de service en service pour essayer euh, de discuter, de prendre des investissements. Donc qui a dit qu'il n'y aura pas des investissements Des investissements de l'État peut-être, des investissements publics directs à partir du budget national. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit, mais là aussi, il faut fouiller pour savoir si tout cela est vrai. Monsieur le Président, que peut-on s'attendre dans les mois à venir Ah ben ça, il n'y a que Dieu qui peut savoir <laughs> ce à quoi on doit s'attendre dans les jours et dans les mois à venir. C'est pas parce qu'on est économiste euh, qu'on doit faire des prévisions catastrophiques ou qu'on doit faire des prévisions comme ça à la va-vite. Non. Je ne réponds pas à cette question. Comment se porterait euh, le Niger euh, futur sur le plan économique Mais voilà encore vous voulez poser la même question d'une autre manière. Je vous dis que moi, je ne veux pas répondre à la place du Dieu. C'est Dieu seulement qui sait ce qui va se passer demain, c'est tout. Je ne me hasarde pas à jouer à l'économiste prévisionniste, ça je ne le fais pas. Donc selon vous, Monsieur le Président, il n'y a pas péril à la demeure Non, pas du tout. L'univers se porte bien et il se porte en tout cas mieux qu'au cours de l'année 2000, euh, qu'au cours de l'année 1990, qu'au cours de l'année 1980, etc. Le Niger se porte mieux au cours de ces années 2016, 2015, 2014 qu'au cours des années précédentes. C'est tout. Il n'y a pas, euh, ma foi, d'alarme ici à faire par rapport à la situation de notre pays. En tout cas, il n'y a pas de pénurie alimentaire, donc il n'y a pas de famine. Il n'y a pas de disette, qu'est-ce que vous voulez Et je vois que les marchés sont achalandés partout. D'ailleurs, les marchés deviennent de plus en plus nombreux à Niamey. Regardez partout, un peu partout, dans chaque quartier maintenant, il y a un marché de vente des légumes, euh, des fruits, des produits industriels euh, de consommation et des produits industriels fabriqués sur le plan national. Il y a des produits qui sont importés. Mais écoutez, ça va. Je crois que les activités économiques euh, sont en train de se développer. En tout cas, il n'y a pas un ralentissement des activités économiques. Il n'y a pas une sorte d'étouffement au niveau de toutes ces activités activité économique. Pas pas une régression, non Demandez aux marchands, regardez dans les quartiers. Justement, c'est eux qui se plaignent. Ah ben, ils se plaignent à tort, parce qu'il y en a qui peuvent se plaindre parce qu'ils veulent gagner toujours plus. C'est tout. Ça, c'est des gourmands, c'est tout. La situation de la douane Qu'est-ce que la douane a de particulier Mais allez-y demandez aux douaniers, c'est quoi le problème de la douane Mais je vous dis que moi, j'ai vu, j'ai regardé, et certainement vous aussi, vous l'avez fait, le directeur de douane parlait et développait toutes les questions douanières. Et d'ailleurs, son intervention a été répercutée dans plusieurs journaux de la place pour accroître la croissance économique, que peut-on faire comme tous les jours, ça c'est la tautologie. Pour accroître la croissance économique, il faut travailler. Après, il faut épargner. Après avoir épargné, il faut investir. Et dans le cadre de l'investissement, il faut travailler. Et il ne faut pas surtout détruire les richesses d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, il ne faut pas faire de consommation abusive, il ne faut pas faire de dépenses ostentatoires. Beaucoup de Nigériens pensent que le train de vie de l'État est élevé par rapport aux recettes de l'État. Eh ben, vous avez la chance d'avoir écouté beaucoup de Nigériens. Moi, j'écoute des gens, mais je n'en écoute pas beaucoup. Et parmi ceux que j'écoute, je n'ai pas entendu des récriminations dont vous parlez. Pas du tout. On vous remercie. Voilà, au revoir. Vous venez d'écouter Sanoussi Tambari Jakou, économiste et homme politique, à propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Du côté de certaines organisations de la société civile, la réalité est tout autre. Le, Niger traverse bel et bien une crise financière. Selon le coordinateur du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD, Abdoulaye Sédou, la rareté des ressources financières au Niger est une réalité résultante d'une gouvernance peu orthodoxe. Nous l'écoutons. Abdoulaye Sédou, bonjour. Bonjour. Vous qui êtes euh, acteur de la société civile euh, qui milite dans le domaine des questions budgétaires, euh, comment se porte concrètement le Niger sur le plan économique et financier Je pense que le plus averti des Nigériens, en l'occurrence le ministre des Finances, a déjà donné l'indicateur il y a environ deux semaines de cela en étant devant le Parlement et en parlant de récession budgétaire. Donc je pense que aussi la sonnette d'alarme avait été tirée depuis fort longtemps par nous autres acteurs de la société civile quand le gouvernement avait décidé d'augmenter le nombre de députés en le faisant passer de 113 à 171. À l'époque, nous y avions dit que véritablement le Niger ne pouvait pas faire face à ça parce que on ne peut pas comprendre que dans un État où les responsables sont censés se soucier du développement du pays, où nous faisons face d'abord à une crise sécuritaire, c'est-à-dire qui demande donc des dépenses exceptionnelles et importantes, et aussi dont les ressources naturelles, à l'occurrence le pétrole et l'uranium, étaient en crise sur le marché international et qui apportent un plus n'est-ce pas, obligé, que dans ces conditions où les besoins des Nigériens ne font qu'augmenter au regard déjà de la démographie, et euh, diversement appréciée par les concitoyens, que l'État décide dans ce contexte-là d'augmenter le train de vue de l'État à travers l'augmentation donc, du nombre de députés. Et aujourd'hui aussi, avec le gouvernement qui a passé jusqu'à une quarantaine de ministres avec les directeurs de cabinet et les chefs de cabinet, tous à la charge de l'État, dans une telle situation, il est clair que l'État du Niger ne peut pas honorer ses engagements vis-à-vis des citoyens, tels que les fonctionnaires et aussi les investissements dans les secteurs sociaux, parce que la vision du gouvernement serait d'abord d'assurer le fonctionnement donc garantir le fonctionnement des institutions en payant les salaires des premières institutions telles que le gouvernement, l'Assemblée et certaines institutions clés. Et là, donc, on oublie et on relaie au second rang. Donc, l'investissement aussi des personnels tels que les enseignants contractuels aujourd'hui ou bien les étudiants qui ont du mal à percevoir régulièrement leurs bourses. Si on comprend, donc le gouvernement nigérien n'a pas les moyens de sa politique. Le gouvernement, au fait, non seulement il n'a pas les moyens de sa politique, mais aussi on peut dire qu'il ne se soucie pas du développement et du bien-être des populations. Parce qu'un gouvernement qui véritablement se soucie du bien-être des populations, parce que la crise là, c'est pas une crise qui concerne le Niger, la crise elle est globale. Donc vous avez des puissances qui sont frappés par cette crise. le Niger fait partie d'un ensemble. Donc le Niger ne peut pas faire comme si de rien n'était estimé que, bon, lui, il est à l'abri de tout ça, ce n'est pas possible. Donc diriger, c'est prévoir. Et je pense que les acteurs euh, de la société civile que nous étions, nous avions tiré la sonnette d'alarme depuis mais les dirigeants se sont embourbés dans leur vision de partage, n'est-ce pas, du gâteau Niger, parce qu'ils avaient estimé que le Niger c'est un gâteau et qu'ils avaient à se partager entre alliés, et maintenant le reste qu'ils s'en débrouillent. Alors que c'est pas ça. Quand vous êtes des responsables, vous êtes des dirigeants, vous avez un certain nombre d'obligations, n'est-ce pas, liées à la fonction de l'État que vous avez à assumer vis-à-vis de vos concitoyens. Et aujourd'hui, je pense que, au regard de la gravité de la situation, c'est clair qu'ils vont certainement se raviser et rattraper l'erreur qu'ils ont commis en se disant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans une situation de crise. il faut pas seulement critiquer, il faut aussi proposer des solutions. Si vous avez une solution à, proposer, ça serait laquelle la solution la meilleure, c'est d'abord la réduction du train de vue de l'État. La réduction du train de vue de l'État passe par euh, la réduction du nombre de portefeuilles ministériels, impérativement. Je ne vois pas ce que le Niger a à faire avec un gouvernement d'une quarantaine de membres, alors que l'Allemagne, qui est une puissance, en a 16 membres. La France même la Chine n'a que 36 membres. Nous, nous avons 40. Donc, je pense que la première mesure forte, c'est de diminuer le nombre de gouvernements, n'est-ce pas, en le ramenant peut-être à 16. Le Niger a l'habitude de fonctionner avec 16 euh, euh, portefeuilles ministériels. Et aussi, à moyen terme, de voir comment est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée euh, revenir au nombre de députés limités. Et aussi prendre des mesures par rapport, n'est-ce pas, au fonctionnement de l'administration. Quand vous avez, par exemple, toute l'administration bourrée de V8 qui circule à Niamey, qu'est-ce que ces V8 circulent à Niamey pour faire C'est de la consommation inutile. Donc, on peut aussi prendre des mesures par rapport, n'est-ce pas, à la circulation euh, des véhicules, n'est-ce pas, qui consomment. Par exemple, les 4x4, au fait, c'est pour le terrain. Qu'est-ce nous ont à circuler Et ça consomme inutilement. Kunche, à un moment donné, à dû prendre ce type de mesures pour véritablement diminuer le train de vie de l'État et permettre à l'État d'honorer ses engagements par rapport aux questions sociales. Abdel est-ce que cette euh, rareté des ressources financières n'est pas la conséquence euh, de la, gouvernance? malgouvernance Oui, mais bien sûr, c'est lié. Quand on parle de malgouvernance, c'est en tant que dirigeant de ne pas prévenir. Et aussi avec toutes les pratiques que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas les compétences qui sont promises. Mais les gens sont à des postes de responsabilité parce qu'ils sont affiliés à un clan politique, pas parce qu'ils sont compétents. Et donc, par rapport à ça, ils ne doivent rien à l'État, mais ils doivent assez au nom desquels ils ont été nommés. Vous voyez, vous avez des compétences et parce qu'ils sont soupçonnés d'être proche, je ne sais pas, de, de l'opposition politique, par exemple, ces gens-là sont dépourvus de toute responsabilité. Alors que s'ils occupaient ces responsabilités, ils pouvaient faire mieux leur travail et permettre à l'État d'engranger beaucoup de ressources. Vous avez véritablement la politisation à outrance de l'administration qui fait en sorte que, bon, les gens, non seulement ne travaillent pas pour faire permettre à l'État d'engranger beaucoup de ressources, mais aussi même les ressources qui sont, par exemple, négociées avec les partenaires. Les gens n'ont pas les capacités de développer les outils nécessaires pour qu'il y ait une consommation de ces ressources euh, mobilisées. Je pense que la question de la sous-consommation n'est-ce pas, est toujours une question d'actualité et qui a souvent été soulevée et soulignée, y compris par Issouf euh, Mohamed. Comment est-ce que les citoyens peuvent ressentir euh, une rareté des ressources Mais on peut le ressentir, vous avez parlé déjà des enseignants contractuels qui font 3 à 4 mois sans pécule, alors que le total même de leurs euh, droits ne représente absolument rien du tout. Les entrepreneurs qui exécutent les marchés en avançant leurs propres agents ne sont pas mis dans leurs droits. Donc, c'est-à-dire qu'une augmentation substantielle de la dette euh, publique aussi. Vous avez vu la dernière fois comment les étudiants étaient sur le point de perturber tout simplement le BPC parce que l'État avait dit qu'il n'avait pas les moyens de les mettre dans leurs droits par rapport à l'aide sociale. Une aide sociale qui était de 150 000 qu'ils ont voulu payer à 130 000 parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, les 20 000 là, ils ne voyaient pas comment trouver pour augmenter alors que ces montants, ils auraient dû même payer. Ça, dans le principe, c'était payé en deux tranches. Euh, même la première tranche, elle ne l'avait pas eu. Et euh, cette hésitation, véritablement, y compris des investisseurs, à investir dans le pays parce que le système financier ne constitue pas une garantie pour pouvoir investir. Voilà pour moi quelques éléments caractéristiques justement qui donnent une idée, qui permet quand même d'apprécier, de voir et de vivre cette euh, sécheresse économique qui en réalité n'est pas un secret. Quand le ministre des Finances parle en bon diplomate de récession budgétaire, ça veut dire tout quelles sont les conséquences de tous ces faits-là Les conséquences, euh, c'est que ça va d'abord mettre l'État dans une position où l'État ne pourra plus assumer sa fonction d'État, en fait, ses obligations vis-à-vis des fonctionnaires, vis-à-vis des entrepreneurs qui exécutent les marchés. Donc, euh, c'est véritablement ça. L'État, en fait, ne peut pas honorer donc ses engagements et ses obligations vis-à-vis donc euh, du corps social en un mot. Ablaï, c'est vous remercie. Merci, Mokhtar. Vous venez de suivre Abdoulaye Sedou, coordinateur du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement. L'Agence de régulation du marché public, ARMP, organise depuis lundi une formation à l'encontre des commerçants et entrepreneurs de la région de Tilabéry. L'objectif de cette formation est de sensibiliser les commerçants et les entrepreneurs sur la réglementation de l'octroi de marchés publics. Mahmoudou Abdoulaye, notre correspondant à Tilaberi, s'est entretenu avec Harou Garba de l'ARMP. Comme vous savez, la passation des marchés publics, c'est un instrument de bonne gouvernance. C'est un moyen aussi d'améliorer le climat des affaires. Donc c'est dans ce cadre-là que le Niger est parti des conventions, des directives, de certaines conventions, notamment les directives de l'UMOA de 2005 sur euh, la passation des marchés publics. Et sur la base de ces dispositions, on a essayé d'adapter la réglementation des marchés publics aux standards internationaux. Quand on parle de standards internationaux, ça veut dire que le code des marchés publics aujourd'hui répond aux soucis partagés par la communauté internationale, qui est la transparence dans la passation des marchés, qui est l'économie et l'efficacité de la commande publique, qui est la reconnaissance mutuelle. Donc euh, le Niger s'est engagé résolument et à travers euh, le code des marchés publics, donc d'observer ces principes-là. Ces principes, comme je le disais au début, c'est des principes de bonne gouvernance, c'est des principes qui vise à faire respecter l'équité dans la passation des marchés publics. Vous savez, dès qu'on parle de marché public, il faut voir c'est l'argent public qu'on utilise, c'est les deniers publics. Améliorer la passation des marchés publics, c'est contribuer à améliorer la bonne gouvernance. Donc c'est dans ce sens que l'Agence de régulation des marchés publics agit conformément à ses attributions, essaie de former, d'informer sur la réglementation des marchés publics. Et elle essaie de former et d'informer tous les acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. Aujourd'hui, on est en séminaire à Tilaberi. Le séminaire regroupe les opérateurs économiques d'un côté et les représentants des médias que vous êtes dans un groupe, et de l'autre côté, vous avez les représentants de l'administration publique. Ceci pourquoi Parce qu'on veut que tout le monde comprenne les implications de la réglementation, comprenne vraiment le sens comment les marchés sont attribués, comment les marchés sont préparés, comment les marchés sont exécutés. C'est dans ce sens-là qu'on essaie de contribuer et à notre façon à la bonne gouvernance dans la passation des marchés publics. Monsieur Harou, parlant d'équité dans la passation des marchés publics, vous pensez que, à l'heure actuelle des choses, cette équité-là est respectée dans la mesure où chaque régime a ses propres commerçants avec lesquels il traite Tout ce que je sais, c'est qu'à travers la réglementation des marchés, ce qui est recherché, c'est vraiment l'égalité de traitement devant la commande publique. Et ça, c'est un principe qui a été affirmé par le Code. Et normalement, l'arsenal juridique de passation des marchés publics, le principe qui a été posé, c'est l'appel d'offres ouvert. Les autres modes, les marchés négociés par entente directe et les autres, ce ne sont que des procédures dérogatoires. Donc c'est dans ce sens-là que nous, on dit normalement, en observant la bonne pratique dans la passation des marchés publics, on observera un minimum d'équité. C'est vrai, on ne peut pas être parler d'équité à 100%, il y a toujours, c'est un objectif, c'est un idéal à atteindre. Mais en tant qu'agence de régulation des marchés publics, on essaie de faire en sorte que les bonnes pratiques soient vulgarisées en matière de passation des marchés publics. C'est ça notre contribution. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de former et d'informer tous les acteurs de la chaîne de passation des marchés En tant qu'agence de régulation des marchés publics, vous avez enregistré des plaintes des commerçants et autres. Pouvez-vous nous brosser un peu la situation Vous savez, en matière de passation des marchés, le Code des marchés donne droit à tout soumissionnaire qui se sent lésé de porter plainte. Donc, à l'agence de régulation des marchés publics, à ce qu'on appelle le comité de règlement des différents, lui, c'est un organe qui se réunit pratiquement presque quotidiennement, qui juste chaque jour que Dieu fait, il y a des appels d'offres qui sont ouverts, il y a des plaintes qui sont enregistrées. Donc ça fait partie normalement de, l'ordre des choses et il faut positiver ces plaintes-là. Ces recours-là font avancer les choses. Nous, on les perçoit comme un moyen de faire avancer le processus de passation des marchés dans le bon sens. Euh, L'une des problématiques de la chose aussi, c'est par rapport à la communication. Enfin, d'aucuns disent les entreprises ne communiquent pas par rapport à l'octroi des marchés, donc euh, à une mauvaise communication, ce qui fait que beaucoup d'opérateurs économiques ne sont pas informés pour pouvoir euh, postuler. Vous savez, l'un des principes sur lesquels doit reposer la passation des marchés publics, c'est la transparence à tous les niveaux. Quand on parle de transparence dans les procédures, c'est à tous les niveaux. D'abord, la transparence, vous l'avez en amont. À l'élaboration de la loi des finances, vous devrez publier déjà des avis d'appel d'offres. Quand vous voulez lancer le marché, il y a toujours un appel d'offres qui doit être publié. Et tout ça là, c'est pour informer les soumissionnaires. Et de l'autre côté, quand vous lancez au cours du processus aussi un dossier d'appel d'offres analysé, normalement, le Code des marchés publics fait obligation aux responsables des marchés d'informer les soumissionnaires du rejet de leur offre et de leur dire aussi qui a été retenu, pourquoi leur offre a été rejetée et pourquoi celui-là a été retenu. Donc ça, c'est une obligation légal. De l'autre côté aussi, on dit les entrepreneurs ont la possibilité de demander même le procès verbal d'analyse. Tout ça là, c'est des trucs quand ils sont observés de part et d'autre peuvent promouvoir à la transparence. Parce qu'on est dans une communauté. Le Niger est dans les directives de l'UMOA. Les appels d'offres sont publiés dans les journaux, à travers la presse aujourd'hui sur Internet. On les sensibilise pour qu'ils comprennent. Il y a lieu pour eux aussi de chercher. Mais de l'autre côté, s'il y a rétention auprès de l'autorité, c'est à eux de réveiller aussi l'autorité. Donc c'est ça là le sens de notre formation. Merci, Monsieur Harou. Vous venez d'écouter Harou Garba, agent de l'ARMP, l'agence de régulation du marché public. Euh, il était interrogé par Abdoulaye Mahmoudou. Et c'est ici que se referme le forum de ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et bonne rupture à toutes et à tous.